Sénégal man Ahmadou Diop saint fidèle chroniqueur hebdomadaire ak serviteur molindi nuyu qui sont nous, wi ñuy defal bu à partir de 17 h GMT heure de Dakar soit 19 h heure de Paris xam ko ko à travers les ondes de notre radio Sunuker FM la première radio panafricaine nek ca Californie muy sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale kon xam ngeen ne tey Talata, 11 août 2020 sunu waxtaan wi nu tuddee xew-xew réew mi am na solo du ma tàyyi di ko wax tey gën a am solo la répétition est pédagogique dama ne te dama koy baamtu kii di digle càngaay mësta set waaw dafa takk rib tilim xam na ko sax moom du ma tàyyi di ko wax am réew lëmm kenn du ko dénk baadoo la baadoo la boo ko dénkee am réew lëmm waaw day fuuy waaw ay baadooloom lay fal ak ak askanam Wow, amul kaddu te workat bu magla, la fen na ba jàll ndax ci Sénégal xaalis ak fen mooy fale Wow, du leneen moo fi fale du ay discours du am njàng du am gis-gis loolu kat mo fi nek ki fi nek ah moom day day de fay yéene nek di ci coronavirus bi mu koy servir d'alibi te mom ci bopam mo nek son colorel tigi waaw ndax Macky Sall moo nekk le coronavirus plus waaw waaye nak mom. ah paludisme bi day mësu ak choléra bi avec les autres maladies mortelles rénales tout genre waaw ak yeneen février. wow waaw moom da yoonam nekku ci te feebar yooyu dafa nek un cocktail explosif waaw sénégalais yi ak sénégalaises yi dañ koo wow waaw moom yoonam nekkut ci les naufrages

waaw des points de presse Waouh, ci loolu lañ a waaw bi nga pandémie bi mortel ah kenn xamul fu mu ah ndax épargne pays mi de tonalité l'émotion ak sémantique changer radicalement les faits têtus sont là waaye nak lu ko waral lenn la ah bu bi nun dañuy babu di Dundé, des instituts de recherche ni des laboratoires di set ou yaram ah li fi nek kay mo fi ah day jël coronavirus bi mu désigner ko du doigt comme étant l'unique coupable numéro un waaw waaw nga xamné buñ ko sétlo ba seetlu ko nek lu dul un facteur aggravant waaw waaye nak dañ koy jox ndigal li ko waral loolu la li ko waral lenn la ah musunoom ay njiit ndax Cheikh anté Diop day wax deug yalla ko doon jang ci science ak xam-xam mo la mënoon fop waye sénégalais yi falé wuñ ko kon nak gis nañu légui les principaux pouvoirs qui se sont succédés jusqu'ici ont manifestement failli à leur mission régalienne musuñoo déglu Cheikh Anta Diop le kamit panafricain grand savant scientifique égyptologue historien le plus élevé de tous les temps. Lol Mota, Sénégal, Djelndare, Deloginao en arrière de 100 ans, de Lobisunek, depuis 12 ans, depuis 8 ans, mon dé de fait de Bajanto. Wow! Sénégal, Sunreoumi am arsenal juridique badalo bi bayiko fi di set njariñam di zizaaye di élaguer di def des nominations hystériques totalement ethniques et des décrets présidentialistes inflationnistes automatiques qui nous servent de gouvernance bancale ethnique même kokou moy le potentat nga xamné finalement sax daf koy nier kon je l'ai les élites corrompues larbinisées nihilistes corruptrices très pantins satellites une ben moralité palpable peu ou prou feigne, amende la conscience moribonde étrange étrangère qui a un caractère blasphématoire

muy le malfaiteur waye voyez mo am ci Afrique Surtout, surtout baptisé honteusement francophone les médiocres de référence font l'histoire à la place des bons minoritaires loolu motax badolo bi di indi des procès présumé judiciaire interminable cataclysmique surréaliste à sens unique Mouti def des surenchères cataclysmiques n'obéissent qu'à des soubassements politiques pour ramener limti lim ci di contradiction ak état de droit ak transparence ak démocratie fali te lolo la nakar lu c'est coupable nga yoga, que nous jusqu'au cou ñu nek dans son enseigne franc-maçonnique ah circuler librement en toute circonstance et en toute immunité te ki ci Mouille muy lui Sall et compagnie le mongolien qui digère sa proie dans les eaux troubles de la paire. Macky Sall ne décret présidentialiste mu tuddee créé creux qui C'est ce gisam bu gàtt mu coup de répression de l'enrichissement illicite la voyez, tyrannie la xajj ak seen la li nga xam ne kay moo fi nekk une cour martiale unique au monde digne de la stasie, conflit d'intérêts manifeste qui est totalement illégal, juridiquement, moralement, cliniquement et politiquement. Une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Kokumoy, le prédateur Macky Sall himself tonitruant autocrate de la mécanique des décrets présidentialistes inflationnistes mom yonam nekkul ci le suffrage universaliste waaw ci corona bi nak ci lay jafando waye nos hôpitaux nga xam des de l'indigène sont des mouroirs en ciel ouvert waye le dictateur qui nous tympanise nos oreilles à longueur de journée en toute impunité et en toutes circonstances Waye nak sa cohorte de canaille bu len bant xuri ko ñu yagari-yagari baadoolo bi réquisitionné ben avion ñuy fajo bitim rew en particulier France ndax France ñom dañoo teel a xam ne yaram su amut développement du am waye nak noonu dañuy yàccaaral golo di bay Babundi di dundé kon ki nga xamné mo fi nek nga xamné muy Macky Sall nga xamné au pouvoir grâce à l'esclandre de ces milliards yo xamné daf ko dans les derniers de l'État kooku kadom jëriñu dara koku moy l'absolutiste Machiavel traître dans l'âme jusqu'à l'abîme muy Macky le multimilliardaire des postes de nomination et multirécidiviste Mon les présidents des pays développés Comme des un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple il y a lieu de parler d'un cafarnum ou un amas de cafards et de vers de terre tribaliste. baveux qui que dit moi, le caïd putschiste clinquant clanique né, l'homme de la surcharge pondérale dit l'entonnoir colonial ou le caniche de l'Occident, né de Bandoum, de la démesure et la débauche, dont l'immoralité n'échappe plus au commun des mortels par sa lâcheté innée inégalé inégalable nga xamné ne bis bu yàlla sàkk day gëna indi ses lois scélérates uniques mu koy def par son assemblage de godio interposé. alors que wax deug yalla suñu nekkoon ci réew mu civilisé politiquement du am jot sax di wax muy Macky Sall ndax day en prison pour le reste de sa vie ñu jox des circonstances aggravées et bénéficie ipso facto immanquablement d'une peine incompréhensible de 30 ans et plus pour multi crimes financiers, économiques et perte de ses droits civiques supposés. Sa place Mr. au palais waye a rebeus son Guantanamo ba fay dugal ñi ko neex waye nak sun rew mi li ci gëna doy war surtout nak certains sénégalais de l'extérieur ñom dañuy def le contre-pied des européens ndax ñoñu certains sénégalais de l'extérieur désertiques, méchants, pathologiquement jusqu'à la lit du haut de leur ignorance. Des paresseux lisent peu et préfèrent écouter des audios des patriotes qu'ils connaissent nga xam ils di fréquenter mot par mot waye n'ont jamais eu la courtoisie pour la fibre patriotique, pour les féliciter ou les encourager peu ou prou ko def ndax dañoo soxor loolu un. fi am waaw mi en arrière de 100 ans je sais de quoi je parle et pour cause comme sénégalais sénégalaises soyons attentifs et très vigilants et sur nos gardes. Pour cela, prenons à bras le corps le principe de précaution et gardons l'œil vif sur nos frontières avec le Mali, notamment la République institutionnalisée, hégémonique, violente, yéménito-arabo-berbère des morts blancs, esclavagistes négrophobes comme système d'apartheid en vase clos de Abdelaziz, Aziz, l'étrange mimétisme des Wahhabis. gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir même. Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Li ko au lendemain de l'attaque meurtrière ignoble d'un groupuscule terroriste lourdement armé roulant en moto nous abattre froidement des Français appartenant à un ONG au Niger voyez, voyez, discours je suis scandalisé effaré choqué indigné et horripilé par les propos abjects, alambiqués de la part de certains journalistes. Du côté de la scène, lesquels, semble-t-il, sans le dire ouvertement, s'étonnent que le Sénégal et le Togo, pour l'instant, Madame, pour l'instant, soit épargnés par la peste islamiste de la sous-région. Madame, Selon eux, les deux États, c'est-à-dire le Sénégal et le Togo, doivent s'y préparer dans une éventuelle frappe des terroristes de que la parce que dañ interrogé s'agit-il donc d'un vœu pieux ou d'un appel du pied aux terroristes de sorte que les pays du centre et de l'Afrique de l'Ouest, sans dessus, dessous, ne soient à l'abri de rien. Ouais, personnellement, je tombe des nues en entendant de tels propos scandaleux, outrageants, méprisants, sidérants, condamnés et condamnables. Là, par rapport aux autres pays, muy Sénégal guy par sa situation géographique exceptionnelle le ciel sénégalais dégagé de toute terreur n'a pas d'intérêt géostratégique ni un acteur politique ni de près ni de loin et visiblement verrouillé de long en large du sud au nord de l'est à l'ouest qui voudrait donc jouer les, pompiers, les pyromanes et les pompiers de service pour diviser et régner en maître absolu. La question se pose. Voyez, nous ne le souhaitons pas. Toutefois, dans l'hypothèse impensable où quelque chose de répréhensible se passe malheureusement au Sénégal, dans nos frontières ou à l'intérieur de notre pays, l'autocrate ou le label de la Gestapo ou la graine de la haine viscérale serait désigné automatiquement comme l'unique coupable numéro un devant l'histoire. Que les sorciers primitifs, d'armes se le tiennent pour dire à bon entendeur salut. Voyez, par ailleurs, cela étant dit, le journal politique de référence amuñu fi bàjjan amuñu fi nijaay amuñu fi baay un média de pression de chantage pro-colonial, xam pro-colonial et arabe titre pompeusement Orange Sénégal pourquoi tant de haine journal Bobu n'est pas à son coup d'essai. Détient-il la vérité ou le monopole du verbe Question que la ñuy posé s'agissant des pays arabes il tient des propos doux et doux même ndax daf koy tempérer pour qui travaille-t-il et à quel prix dafa mel qui que l'afrique, Afrique le Sénégal le panafricanisme est source de casus belli Comme question bini posée, y a-t-il des journalistes professionnels au Sénégal ou des professionnels corrompus question que le nuit poser? bu comme d'habitude au Sénégal ak sénégalais ak sénégalaises Sénégalais, les sénégalais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 tous nos auditeurs ak suñu auditrice gor ak jigéen mag ak ndaw fàttewuñu kenn te noo ngi nuyooti les meilleurs sentinelles ci Sénégal ndax gor yi buy def seen waxtaan te nu bokk ci ñu tuddee ko l'info autrement ñu koy def altine ak à partir de 16h GMT heure du Sénégal Gorille de di ci des rédivisions par des audios très audibles toute la semaine sans répit Gorille yi gis ne une question de fibre patriotique et de pédagogie d'abnégation de dévouement et d'altruisme et de civisme même ndax dañuy mettre en lumière les mystifications du label menteur professionnel profanateur mécréant franc-maçon dans l'âme Fatena, létat li taxoon ñu 2012 à défaut et par dépit dans des circonstances exceptionnelles totalement inédites Fatena, la vous ñu Voyez ko vous avez dit nekku ci le changement Macky il s'est métamorphosé comme un caméléon, comme si rien n'était. Autrement dit, le minable kleptocrate des horloges, agitateur, traître, teigneux, mieux ñu mën a wax kenn mënu koo tagg de du tawte ndax saabu mënu koo fóot tey mënu koo mënu koo à ëllëg amul ben scrupule te amul ben lueur d'humilité peu ou prou te moralité il laisse lui-même dans son fort intérieur qui est totalement en pétréfaction Macky Sall est un accident de l'histoire Macky Sall est plus dangereux qu'une enzyme ko xam lo wax entretenir le faux suspense le doute ni oui ni non pour un troisième mandat qui est totalement illégal mais kooku workat la franc-maçon la mako ko wax loolu la ndax deuk yi nga xamné surtout ci Europe ñaari mandat la leen jox kooku ça ne se discute pas foofu waye non ça se discute waaw kooku moy jubadi kooku tay mo fi nek do nakarlu demb li fi amone te mo yées Abdoulaye Wade fouf bokkunu ndax moom dañu japp ci loxom mësta am dara ci loxoy boppam saay-saay si nga xam ne ñoo nekk ci Afrique ci loolu la ñu nekk toute sa politique daf ko teg ci ay tappale muy indi ces justiciers mu considérer leen comme ces armes de guerre confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales waaye nag sun rajo bu mag bi gor yi buñ defee seen waxtaan ba pare tanu nu bokk ci Gori yi di tollanti samedi bu nekk ñu indi beneen waxtaan ñu tuddee ko en toute objectivité loolu doy ñu tollanti indi beneen waxtaan ñu tuddee ko la voix des jeunes maanaam baatu ndaw ñi ak yoonu ndaw ñi ñoom ñépp ñu ci indi seeni réflexion remarquable prodigieuse yoo xam ne dafa am njariñ gros calibre yu mag lañu nous koy tabal ci les sénégalais et ak sénégalaises à travers les ondes de notre radio sunu FM la première radio panafricaine nek en Californie ci Los Angeles Nous sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale waaye ñun ñi nga xamné ñoo ci conscience patriotique pour le changement xam sa rew, bëgg sa réew jariñ sa réew ŋàññiwunu kenn li nu bëgg daal te moo nu yitteel dige bor la wara nek waye maki bor fen la wara nek kon il faut que nous corriger ko ndax ku mutul njiit dañ koy wax ne ko ku bopam président de la république te nekk ko di fen dañ ko naan da ngay fen Manam, c'est un menteur qui nag c'est un menteur professionnel te loolu dafa un tabou Il y a 14 millions de sénégalais ñu bàyyi ko ci muy indi l'article 80. bidon mais ils moomu ndaara rek lay un état régalien le un véritable contre-pouvoir libre indépendant souverain le un état démocratique waaw ñu indi une liberté fondamentale moom la ñu bëgg un état de droit Sans la ñu bëgg sans la liberté kenn mënta tabax dara lu ndax buñ ko defoon noonu du nekk fi mu nekk ndax musu nekk sax xanaa kay dafa fen ba jàll ci nekk spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar muy Macky kooku la république maléfique des scandales une dictature qui tourne plus que jamais en plein régime intégralement négationniste d'apartheid de s'accommode en permanence nga xamné Vous bés bu sac day indi des contrefeux... feux yaakaar ne mën par jour cataclysmique waaw Waye ñun ñi nga xamné ñoo nekk ci CPC lolu bokkut ak suñu gis-gis de la démocratie le Sénégal il un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance la Syrie n'en démord jamais et n'en a cure d'occulter occulter par devers contre vents et la dépendance dynamique coloniale parce que da un am sous le Sénégal gi plan Sénégal émergent plan Sénégal colonialiste kay mo fi nek rew mo xamné ne ay télécommunication day jëggaani rew mo xamné dañ koy sarax di ar ses frontières aériennes et terrestres mo mu ndaara rek lay mëna a ndax pays yi nga xamné dañoo am fayda day su amé des ressources pétrolières et gazières dañ koy foqar ci nangu ko keuf ko te duñu tagu kenn ndax ñoo nekk ci dëgg nag dañuy sëgg te naan yàlla dogal am sur un plateau d'argent évidemment li fi nekk rek parce que le monde appartient à ceux qui ont manifestement une histoire à l'action matérielle waaye Macky le champion de la rupture aléatoire de la corruption est le chantre du népotisme et de la pagaille démb day waxam bari woon na qui Macky Sall waaye nag démb waaye nag tey une certaine presse qui se déchaînait hier pour un oui ou pour un non et de façon péremptoire abusive même sur l'ancien régime bu Abdoulaye Wade qui en avait naturellement pour son grade était traité

ah ils sont bien engraissés de waouh. par les derniers de l'État nga savez, Maki, qui briser de plus en plus les consciences abîmées ah la même servilité de hier très bavarde faire changer radicalement de tonalité et de sémantique Ouais, préfère tempérer ses discours et nous avons fait pêcher de gros morceaux alors que lolo pêché la la corruption c'est un crime waaye nous avons yoonam seen yoon nous ci avons nu ñu avons une def rek ba sàcc ba seen des ci ndax dañ leen di nangu l'apologie du nazisme monétaire Madame l'ingérence monétaire coloniale nga xam buñ ko sétlo ba sell ko dafa manki patriotisme ak panafricanisme ndax musu ko am ci lu néew ko bari waye nak lolu jaaxalul ci mom ndax Macky dafa massa déclarer déclaré ne la monnaie coloniale est bonne à garder té lolu jaaxalul ci mom parce que joxon na des signes avant-coureurs ci 2012 ndax France bi nekkoon ci seeni élection ah Macky de dañu fay bàyyi di lakk suñ corazon bi muy ramal di sukkal Nicolas Sarkozy mu ne ko daal le retrait des troupes et bases militaires françaises relevait quelque peu d'un nationalisme mal placé de day le nationalisme ak patriotisme te mon tay kon koku ay mbiram doy nek imam man kooku waye nak non noonu def médecin après la mort waaye ñun ñi nga conscience patriotique pour le changement loolu ce de la démocratie ndax mok Alassane Ouattara fexé nañu ba les deux pédigrés se valent tous les deux l'un ne va pas sans l'autre C'est ce que def pareil au même fexé nañu le français indi l'écho waaye mbir mi buñ ko seetloo ba ko ak ndëng entre CFA bi ak l'éco e bi nga xam ne Ils te dana bonnet blanc la ak blanc bonnet te loolu wax dëgg yàlla ñun nga ne conscience patriotique pour le changement xam sa bëgg sa sa ñu gën sous l'acronyme CPC nous, avons dénoncé la gestion népotique et gabésique du Sénégal par un seul parti politique en particulier pour Makissal et sa famille Nous savez, nous aussi une coalition de partis avec surga nga accaparé tous les dividendes des ressources du Sénégal nga ne une seule famille paresseuse moi, addu kalpe moi, fort ci lépp di pàccoo ma tête, maa tey baadolo bi di leen berel loxo Manam, avec son clan ses obligés ñoom cousins et cousines de bari mu tayi leen des postes de haute stratégie kon xam ngeen ni mbir le corporatisme le indignement ethnique kooku affaire le calanisme la hystérique en Afrique Nico François Verchard. le pouvoir est une affaire de famille et de clan ndax sommes de ci wasom ak ci dans toutes les structures de l'État comme si les compétences et les expériences des CV bidonnés de Ramassi se mesurent scandaleusement à l'aune des mêmes patronymes particuliers visiblement bien sonna kooku la conviction surannée surréaliste du négationniste Macky Sall qui foule du pied vous à la les affaires de la cité pour le traître en chair et en os qui l'éprouve matériellement sur le terrain du crime d'artigis la médiocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar au nom de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idéolatrie représentée par les binôme des mystifications ethniques indignement idiocratique te l'olo Mariam Faye ak ay ak ay a nommé plus qu'un village entier portant les mêmes patronymes particuliers visiblement bien sonnants kooku kooku dañ ko waral dénoncer te kenn mënu ko xuumtoo waye nak su réew mi wax fi deug day indi musiba parce que guerre mo fi nek ndax une minorité cartélisée mi leen guerre dañu am ascendance sur la majorité accroupie candide mil obéir machinalement lu jiwo jexu jógu fa kon yeen gor yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen di ñëw di fraterniser ci conscience patriotique ndax sunu Sénégal gii wax deug yalla bu nu bëggee mën nañ ko man nañu changer sun réew mi dans le sens des progrès exponentiels ensemble tout est possible borom xam-xam yi ñi ngi fi expert de haut niveau yi ñi ngi fi scientifique yi ñi ngi fi bindikat yi ñi ngi fi toutes les ressources humaines ñi ngi fi li fi manki kay moy bolo am bolo mo fi manki bu nu ba nga xamné ñi bëgg suñu réew mi mo war suñu Sénégal gi wax dëgg yàlla dana jëm ci une minorité cartélisée ñu leen di ger ñuy sëgg ah réew de ko dagan na waaye comme yàlla mooy fale folli manque gis-gisu la réew mi loolu conscience patriotique

ah kooku de bala moo d'anaka. daanaka le tyran encombrant nga xam de utiliser les moyens de l'État di ci abuser ah da doon yónni ses auxiliaires de service de maanaam c'est tonton makout. waaw waaw ñu cueillir ko waaw ñu violenter ko fermement ñu defal ko presto illico un mandat de dépôt waaw et les fonctionnaires politiques véreux mercenaires alimentaires dañuy xam noppi di du tout, du du jégglu parce que c'est des coupables tous se transforment en sarabande des vers de terre baveux Ils ne sont pas doon du ñu mas changé ba illaa yow mi les symboles maléfiques des traîtres baveux unifiés dans l'âme boivent sans répit le calice jusqu'à la du haut de leur rang ndax dañ le vivre en toute impunité et en toutes circonstances sur l'épaule de la république ay transhumants yu mag de ndax dañuy dund ci mbaggum suñu réew mi te dañuy naan katijanta bay te leneen lañuy naan ndax bo déggee sen wax rek bi lañu gëm surtout bouteille bi Ils rek ñoko mëna jënd ne tarisse pas d'éloge à l'égard du fasciste encombrant lequel paraît-il n'a pas de défaut mais rien que des qualités de ñoom ci ses propres intérêts avec ceux de ses parents yoo xam ne wax

waaye li nga xam ne daal moo nekk ci réew mi un fonctionnaire si n'est jamais synonyme de patriotisme te badolo bii nga xam ne moo fi nekk mësta nekk kilifa ndax koo xam ne da ngay fen di wedd sa kàddu mais kooku mësta nekk kilifa encore moins un président normal de la république Macky dafa mas a nekk un indigne chef de bande d'un parti politique cliniquement clanique clinquant même te yàgg na koo wane ci suñu réew mi ci suñu digg penc mi qui sont digg que bi le pion le label du foutoir en chair et en os de ak tay, te qui de na ñu peindre faussement sous les défroques victimaires de l'heure nga savons ne ba 2020 ah, et sous la baguette magique de la référence propagandiste mondialiste de l'arbitraire et de la tyrannie muy jokkoo en avec le vacarme hystérique de la servilité endogène en place C'est wax parina. dem nañ sax banaan Macky Sall daal ak ñom watara. Bokku nañ ci les dirigeants les plus influents de la planète entière ñaar ñooñu nga xamne dañuy weddi seen kàddu ci lépp Waye nak dañu am ginnaaw loolu kat la loolu moo tax le larbin autocrate continue de jouer nécessairement et obligatoirement sur le piano américano-français waaye nag yoonam nekkul ci mbënd mi yoonam ci à nos attentes pressantes sociales urgentes même il s'en fout de tout yoonam nekkul ci faalewul réew mi wan il nous a toujours trahi noonu la ñuy defee la démocratie ci Afrique te Macky Sall moo ci jiitu waaye nag làmmiñ wu rëy la ñuy yore bu ñu fal discours miel et lénifiant et ay un élément. ndax passe tout son temps à restreindre drastiquement davantage la liberté d'expression waaw T'as acheté de plus en plus les consciences abîmées présumées notables de leur waaye yemut ci loolu day commander du matériel de répression à sa clientèle préférée nous, ñuy sant xam critiquer

xam ñu def ko en action matérielle bo xam mom lañu wara def suñu bëggé nek maître de notre propre destin sur des bases voulues ndax c'est à ce prisme là que suñu Sénégal gii ay le yewen man retrouver sa dignité ak sa plénitude ak son rayonnement bo xam ne lépp lu muy def guddi ak bëcëk daf koy def ci coobaree boppam ndax da ci gis njëriñam waaye nag badalo bi de mom yoonam nekku ci te loolu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 la gouvernance politique, bancale, ethnique, tyrannique, que les médias serviles du service public ña fa nekk ñoo fa masa nekk te duñ fa jóg waaw tant que noo ngi nekk ci suñu léthargie ndax ñoom dañoo bew dañ leen yokkal garaat sax na leen yéen ay la yoon da ngeen a mën a jàng yéen a man sénégalais yi waaw sénégalais yi ci des c'est des citoyens de second rang waaw de second rang ndax amuñu njàng ña fa nek rek ñoo fa mas a nekk te loolu gis nañ ko ci nek wax dëgg yàlla nga xam ne ñoom ci loolu lañ nekk te loolu gis nañ ko ci la maison de la presse te loolu moo am ci APS te loolu moo am ci RTS la radio télévision Racine Talla Macky Sall te loolu moo am ci le journal Le Soleil yaa xam bay day xar mat transhumant bu mag la waaye nag waxam bari na te day saaga sax waaye nag ah nous day tous passent au peigne tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamiteux tortionnaire usurier dañuy xam di ñu parce que sont njariñ ndax dañoo nous am en yotaa de patriotisme ni de panafricanisme encore moins de civisme ay nag su radio bu mag bi mooy c'est ni ndëngte te fait. Nous nañ ko tant par la qualité des informations qui sont publiées largement à travers notre site sunuker.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises Nous avons ne la radio ci la première radio FM panafricaine nek ci Los Angeles ci Californie nga l'avant-garde du civisme et du patriotisme te dafa une exclusivité te en toute humilité ndax son radio suñu la première radio panafricaine de renommée internationale nek Los Angeles ci Californie vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité éminemment prouvée, surtout celle qui relève incontestablement de la géopolitique internationale, qui contraste parfaitement avec la platitude manifeste de la servilité en place. nga xam ne dañuy xam noppi comme dañoo tàyyal ñuy nous ñu leen les ah ñoom de dañ fee di di fait, ak embellir de plus en plus le bilan si chaotique du négationniste ethnique révisionniste et dont l'immoralité malbran sans égal, exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN te de la part d'un professionnel menteur profanateur mécréant franc-maçon à la matière mais plus qu'il ne respire ndax mbir affaire d'air, la affaire affaire la nous sunu Sénégal du mas a ci ak ci pénombre bi du guéppier infernal nga xamne badolo bi moo na ko teg depuis 8 ans ñu yàccaaral parce suñuy éthargie parce suñuy léthargie ak suñuy couardise waaye nak suñu réew mi daanaka moom dañuy bëgg rek ngay tempérer ce discours waaye boko tempérer du tax ñu yëngu de waaw parce que nak kon finalement bu yagge day nuru lenen kon dal li ci am dal moy ndax lolu mo ci nekk il faut que ñu régler le compte du traître Macky Sall en chair et en os et toute sa bande de fripouilles alignée buñ ko defut li fi nekk rek moo fi nekk waaye nag suñu rajo bu mag bi un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes ñoom ñëpp dañoo mas a nekk de gros calibre doués en matière grise s'exprime en toute logique en toute connaissance de cause et en toute conscience ndax dañuy démontrer magistralement seeni capacités intellectuelles. ndax dañoo mas des têtes bien pleines ndax dañuy décortiquer di décrypter l'actualité nationale et internationale et qui font part de leur expertise sur les produits toxiques chimiques, notamment les faits divers, scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux, politiques, sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politiciens véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. ndax avons oublié la boîte de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience. Ce soulage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 waye nak ñun ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci CPC daal xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew suñu principe daal moy fexe ba unir rassembler autant de patriotes sénégalais ak sénégalaises autour de l'idéal Comment pour cela nak il faut que ñun ñëpp ñu indi ci suñu détermination indi ci patriotisme indi ci civisme ku ne indi ci sa xalaat bu rafet ñu bolé ci nak la démocratie participative à l'échelle nationale li nga xam nak c'est la clé de voûte madame la volonté politique de chaque sénégalais et sénégalaise nga xam le sunu Sénégal n'est que le phare de la démocratie plein développement économique politique militaire financier en fait. ndax que les dimbali qui ëmb sa sangal dañoo nous avons des moyens colossaux extensibles sur soldats ndax ñu des a sur frontières aériennes et terrestres et la circulation des biens et des personnes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

il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel prédateur Nous remplacer par un régime parlementaire leneen lu nu def day un coup d'épée dans l'eau Si nous mi pas, ko remodeler un pays dynamique nous des principes démocratiques et des institutions fortes inviolables par les patriotes sénégalais ak sénégalais imbu de la fibre d'honneur waye li gëna doy war ci Afrique ñi gëna reuy rëyu bu ñu bëggé ku len fal te Macky Sall bokku ci dañuy def des discours lénifiants et mielleux waye nak bu togué ci siis bi riigu dañuy lank kandar ndax dañu fenn ba jall te mbacki mo ci jitu ak Alassane Ouattara ñom bu su yalla sàkk ñoom dañuy wane ne ay jàmbaar lañ waaye nag leneen avons def constitution yi nga xam ne ñoo koy élaborer di ko bind ñoo koy violé kon seen kàddu amul njariñ kon noonu léegi nan la nous def léegi bu fekkente ne bii ne ñi nga xam ne ñoo koy bind te loolu ko ci nga xam ne mi ngi nga ne tontu ndax néewut dana présenté wala du wu la

ndax gisuma kenn ci classe politique bi mu koy dingat ndax dañ cee am njariñ il faut que nit ñi génn ci dëkk bi le peuple entier le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple nga xam ne ñu mën a def rapport de force face à la tyrannie loolu rek ko fi jëlee leneen du ko fi jëlee du ay masla parce que masla bi sax day nuru leneen ndax couardise la ak fatalisme ak résignation comme il faut que ñu créer les conditions obligatoires d'une véritable gouvernance politique, économique saine, transparente, financière, attentive nous sommes les nga qui nous moo réunis, nous sommes les intérêts supérieurs légitimes de la nation sénégalaise pour toutes ces raisons là il faut que nous jiital ay gor ci nous de bi de manière que nous sommes en mesure de créer une impulsion dynamique pérenne. Cela étant dit, il faut que nous cultivions le patriotisme, la démocratie, la justice sociale, la justice tout court, l'éthique, l'équité, l'unité nationale en sécurité en fait, te lu ci manque, dara nous xew waaw nous ñun ñi nga xam nous CPC dal, conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew Nous day danoo taxaw temm waaw ndax ñu jafandoo rehausser l'étendard de nos valeurs pour cela il faut que nous inspirions aussi ci ndax puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur yo xamné ne dañoo des de grands soufis yo xamné gens dañoo que ñoo ci suñu digg dëkk bi te dañoo màndu waaw ndax musuñoo yéré paaka te musuñoo yéré gobar jàmbar yu mag lañu waaw ndax yalla rek lañ fi nekk la ak yonent bi li mu kon nañu jàngale seeni xam-xam ci suñu université ci suñu collège yi ak ci suñu daara yi ak ci suñu école primaire yi bu ñu fàtte nag aussi suñu jàmbaar ju mag ji muy Lat Joor ne Latiir Jóob nga xam ne moom it kenn demul mu des waaw nga xam ne moo nekk l'homme de la résistance armée notre héros national qui combattit farouchement et héroïquement l'armada coloniale pendant 24 ans malgré la supériorité numérique et matérielle des envahisseurs, a versé son sang et marqué d'une empreinte digitale toute sa vie, a livré des combats acharnés sans merci, combats humétiques. face à l'armada du colonialisme repoussant la Dior Latidjo, notre héros national, tomba sur le champ de l'honneur, les armes à la main, à la bataille de Dekle le jeudi 27 octobre 1886 avec deux de ses enfants majeurs, Tiendela Nyabas et Sakhawari Nyabas, et beaucoup de ses guerriers redoutables, ils laissèrent leur vie ce jour-là. muy combat bu metti bobu nga xam ne moo ci Il yalla na yalla yàlla xare àjjana Amin, ndax ci Sénégal dal en tout cas ci bir kadior gi nga ne man fala deuk n'importe qui dal ne pouvait pas prétendre le titre de damel du Kajor. ndax ci jamono pour nga damel du Kajor, ah, il il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance de rab comme une feuille morte tu da subir des épreuves d'endurance tout à da ngaa war un fitu en même temps tu da combattre sur le terrain des hostilités

dañoo nekk des multimilliardaires par les postes de nomination tànn sa bu neex te ki ci jiitu muy saay-saay bii nga xam dafa il s'est lamentablement métamorphosé en changeant waaw nga xam ne la troisième mandat c'est fini na ndax kon ya fi digué waye nak mom ci gis-gisam bu gàtt day fen la wara nek nekk nak kenn dans sa cour franc-maçonnique kenn ñi ci wax ku ci wax mu fad la manam pour Maki, da ngay xam nopi tëj sa gémmiñ muut mbaa tout se réduit en roitelets pour n'être que des abrutis poltrons des clowns de des dévergondés entourés de gardes corps Ce donne hystériquement la qualité des dirigeants imaginaires qui ne sont ni de près ni de loin nga xam ay paresseux la ñu te dañoo tàyyal ndax amuñu fit ndax amuñu cofeel ci suñu réew mi amuñu ci empathie seen yoon nekku ci s'enrichir rek par les raccourcis politiques fen jàll boo léegi nga wedd say kàddu kooku mbirum franc-maçon la te bu ñu fàtte aussi les gros calibres de la trempe de Cheikh Anta euh, Diop ak Mamadou diak que encore il faut que ñu cultiver fi le civisme chez les populations le civisme moo nekk le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société le civisme implique le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique Donc, en tant que citoyen on a des droit da nga am ay devoir waaye Macky Sall de mom nee na ay droit rek la am te loolu gis nañ ko ci ay discours am nga xam dafa sàcc ba doy le nga xamne da fay làq dafa làq khalisam wa lu ci wax ay nak daf koy daganal nee dal il a bénéficié de privilèges relatifs à sa position d'ancien premier ministre kooku wax feñ ku jëf feeñ

dafa bëgg a falu ñu seet ay mbiram kan mooy ndeyam kan mooy baayam kan mooy bàjjanam ndeyam ak baayam ak ses descendants ses arrière-grands-parents ci loolu lañ ci lañ lan ci lañ lan nekkoon démb est-ce que ay résistants lañu wala ay traîtres lañu waaye nag tubaab bi de moom dafa xam lenn ndax tubaab bi xam na la cartographie politique de l'Afrique waaw qui faisait quoi qui et qui était qui kon kii nga xam ne kon li tax ñukoy jaay ah tuba bi de ndax tuba bi du joom ci limi def ah lool kat mo fi nek ndax ki nga xamne dafa set daf ko ñax mu ko normalement te amu ci kenn amu ci tu saka ñu la librement en toute logique en toute conscience et en toute indépendance set ki nga xamne ne mo défendre l'intérêt général ñu watel ko su tu ne tu ne sécurité ah baadoolo bii fi nekk day dafa fen ba jàll moom day ay carte moo mu falu waaye day gaw ne day ay carte moo fi jële comme des jaay même ay surgaan sax ku ci wax mu dàq la kon moom am lu parce que qui ne dit rien conscient, loolu la

dara du changé de waye de il faut que ñu ñu ñu contraindre ko par la force mu neex ko mu nakari ko mu mën abdiquer de lui-même ñu juge ko à la place publique menottes au poignet ñu yóbbu ko à Rebeuss son Guantanamo ndax baadoola bu mel ni Macky Sall ak ñom Ouattara ah ñom dañu gagné à tous les coups ndax dañuy bind le scénario du film à tout vent ndax Ouattara ci lolo nek waye Macky Sall moom it ci lañu nek ndax dañu am ginnaaw

waaye nak ñun dañuy nek di def ay incantation au stérile yàlla mooy fale mooy fale lu am rek yalla la ak yonent bi te yalla day musta wax loolu ak alcorane leneen lañ wax waaye nak dañuy biyee ci discoursu alcorane bi waaw kon ñom amuñu ay teggin waaye li nga xam ne daal moo nekk suñu rajo bu mag bi day manam dafa am des qualités exceptionnelles la qualité nek est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence yokote am fi ci jëf ak ci jiko won ko askan wi bu leer nañ ci sunu digg penc mi ci sunu digg dëkk bi ndax sentinelle sénégalais yi ah qui s'exprime librement en toute logique en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues et qui compensent par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politique, plutocrate multimilliardaire des raccourcis politiques sentinelle sénégalaise qui s'exprime librement à travers les ondes de notre radio sunu point com ñoom une logique crédible patriotique nationaliste bien placée qu'elle distille dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal gi aille de l'avant ndax nous Sénégal est top ci tant yi nga xam ci la grande nation émergente. yi nekkee nga xam ku leen tooñ ñu duggaale ko yow ba sa sab ndax ci de quant à elle historiquement et présentement elle est par définition la référence exemplaire et à la différence d'une certaine servilité achetable de référence, s'accommode mécaniquement et hystériquement par la désinformation et la manipulation. N'agit qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire négationniste ethnique et de son chef valet, menteur professionnel, profanateur, mécréant, nègre de service en place, muy Macky Sall. ah Son radio Boumakbide, fidèle à elle-même bu de grec dans sa ligne éditoriale qu'on lui connaît nécessairement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 ndax dañuy wax ci kaw tout haut ce que les minables politicards ci seen insuffisance criarde ndax ñoom day dañuy talal seen loxo di talal seen keul du sukkal say say bi nga xam mësta nek ta nekk kilifa ñu koy tuubal waaye nag gor yi nga xam dal ñoy wax à travers les ondes de notre radio sunu nekku ñu fi rek nak wax deug yalla di ngagn ŋàññi wala di sanni ay xeer wala di wax lu leen neex ndax day ñoom seen discours amna na njariñ waaw nous ñoom day proposer des solutions pérennes concrètes tangibles doit même ndax créer un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des menteurs inflationnistes fascistes ndax sentinelle sénégalais yi day ñoom amu ci kenn complexe lu néew ko bari

APR, RHDP. Deux décharges toxiques à ciel ouvert au cœur de l'Afrique de l'Ouest. kon la répétition est pédagogique Dan koy wax rek ndax chaque sénégalais ak sénégalaise manche am gis-gisu manam maanaam ku am ci ta grille de lecture kon nan ci wax Manam bir bi sax buñ ko ba ko le bazar APR RHDP bu Agmaki, ak d'incompétence et de corruption massive à haut débit ou par extension nous nekk le banditisme de deux supermarchés de dupes toxiques mafieux fichés au grand banditisme financier international loolu kat moo ci nekk ndax mbir mi kenn du ko xuumtoo ndax dëgg mënta nekk AFM ndax loolu kat moo fi c'est waaw ndax ñaar ci loolu lañ waaw au sein desquels Madame, ñaari supermarché des nga supermarché ne de dupe toxique mafia ah ñoom day ñi ko ñi nga xam ne daal trône deux mascottes marionnettes indécrottables waaw benn wuy lañu et s'accordent s'unissent à jamais comme deux jumeaux inséparables retardent plombe et freine durablement les, les mécanismes fonctionnels du développement et les libertés fondamentales de conscience en Afrique de l'Ouest ci loolu lañ nekk waaw En Afrique de l'Ouest dama koy wax rek waaye Afrique centrale ak yeneen ak yeneen yi nga ci Afrique francophone Comme, nous wax ci euh, ci qui bi muy qui nga xam qui muy ou l'envol rapide nga xamné ñaar Ouattara l'envol rapide de deux câbles renégat notoirement opportuniste inspiré par l'hydre mafieux par l'hydre mafieuse se distingue lamentablement dans le club de la galaxie fermée de l'impérialisme plus connu sous le nom bien sonnant de la France-Afrique pour rappel il convient de préciser que le vocable de la France-Afrique a été conçu et élaboré par deux valets, Madame Senghor et Ophir Boigny, pour lesquels d'ailleurs nous avons le devoir moral de respecter leur âme. pour autant nous ne pouvons pas faire l'économie euh, de, ne pas dire la vérité ah, nous ne pouvons pas faire tabras de l'histoire nous y reviendrons en milieu de notre chronique entre Alassane Ouattara et Macky tel un cordon ombilical Alassane Ouattara et son acolyte Macky Sall dañoo que deux combinards qui s'avalent se complètent et se complètent dangereusement mutuellement par leur platitude manifeste contre l'émergence de l'Afrique à l'échelle continentale l'un vous Grec ne va pas sans l'autre c'est pareil au même Nous avons le même ADN et les mêmes gènes Nous commençons d'abord par le premier c'est-à-dire de celui qui est sorti de l'école du FMI ou le symbole du capitalisme tendant à asservir davantage les pantins satellites l'arbinisé assujetti prennent la tête baissée les causes et les faits de l'expansionnisme, prétendument suprémaciste le Vous le devinez sûrement, il s'agit bien entendu d'Alassane Ouattara, d'origine burkinabé, ex-Haute-Volta. Vous à l'échelle continentale africaine dit bassement francophone la trahison du politicard désertique en bande organisée sert de promotion sociale cataclysmique indue ndax la femme la prétendue qualité de chef d'État africain esclave de droits divins s'achète-t-elle donc exclusivement chez nos éternels oppresseurs nombrilistes et ce à coup de milliards de francs CFA à l'appel avec en prime le transvasement automatique des ressources naturelles de toutes sortes, ce des de Dieu exceptionnel devient un purgatoire. Voyez, contrairement à ce qui est dit ici ou là, nos richesses immenses ne sont jamais devenues une malédiction. Les les politiques, politiques même maléfiques, tous soumis par seeni platitude criarde nous incarné plutôt l'olou. nous, avons dañuy la culture de la trahison Vous savez, fait dañ koo am ci qui gène ci seeni qui ak ci seeni ADN ndax waaye nag li c'est ce qui font du bruit assourdissant par la mécanique médiatique interposée du haut de leur nombrilisme, mettent en bandoulière la justice peu crédible, ne défendent ni la démocratie, encore moins la liberté d'expression. Voyez, c'est les propres intérêts économiques, financiers, s'en foutent éperdument des droits humains. Peu ou prou, c'est yon que te li prouver mooy nga le natif de Dimbokoro ex haute volta malgré ces nombreuses casseroles empilées les unes après après les autres ne craint rien et qui agit abondamment en toute impunité en sait quelque chose est arrivé au sommet de l'État ivoirien Il est rempilé exagérément en toute logique grâce aux raccourcis des coups de canon bien tonnants, au point que les vies humaines ivoiriennes ne valent pas plus que celles des animaux. The Lolo Black Lives Matter victime de la politique ségrégationniste des États-Unis a donné à la face du monde une véritable rhétorique pédagogique voire morale même. C'est pourquoi nous sommes bien obligés de dire à haute et intelligible voix que ceux qui ont une étrange approche étriquée, hégémonique, fondamentalement idéologique, comme arrière-plan et sur fond de mépris et de domination, n'en démordent jamais. Ils veulent à tout prix que le panafricanisme soit nécessairement vu eh, manam soit nécessairement source de casus belli manam sax ñom dañuy gis né, affaire affaire panafricanisme affaire anti blanc C'est ce que nous na kii Vous voyez, li nga xamné mo nek ci Haute-Volta amna lu tax ma le 5 août de 1960 la Haute-Volta dafa accéder à la souveraineté internationale voyez, la souveraineté est dañ ko nous dafa une dépendance dynamique formelle à l'instar des pays francophones alors ci jamono Maurice Yamouyogo fut le premier président de la République jusqu'en 1966 voyez, Aboubacar Sangoli Lamizana a été formé à Saint-Louis du Sénégal baptisé plus tard le Pritané militaire portant le nom de l'officier gabonais Charles Chororé fut assassiné le 1er décembre 1944 pour avoir soutenu ses camarades de combattants en transit ils ont l'égalité des mêmes salaires que leurs collègues métropolitains tous périrent à la suite d'un incendie Waouh Vous savez, Burkina Faso aujourd'hui hier nous la haute volta par le travail forcé les voltaïques venus en masse en Côte d'Ivoire servaient des main-d'œuvre gratuite pour les plantations du cacao boo au au de boigny mon esclavagiste de renom cofondateur de la France-Afrique avec Senghor en 1955 te je expliquer aujourd'hui la double nationalité burkinabé et ivoirienne des travailleurs ayant servi massivement dans les plantations du cacao du Côte d'Ivoire voyez, Alassane Ouattara nga est né à Dimbokoro au volta dans les années post-60 Alassane Ouattara devait débarquer au pays de l'oncle Sam président Sangoli Lamizana moo bourse mu effectuer des études économiques Alassane Ouattara l'une des grosses pointures de la France-Afrique et du FMI Alassane Ouattara bi États-Unis faut faire une pierre de coups Il faut tisser en même temps et à la fois de solides relations bien payantes au plus, au plus haut niveau des décideurs publics américains notamment dans les lobbies chocolatiers Donc loolu daanaka moo indi giraawaale gi nga xam ne cirque électoral 2010 voilà le burkinabé de naissance eut deux enfants issus d'un premier mariage avec une américaine Alassane Ouattara voyez bi nga xamante ne bii ne dellu ci Côte d'Ivoire ak ci Afrique ak ci Sénégal sous le fallacieux prétexte de la crise du cacao en 1982 et sous la diligence du patriarche de boigny qui ne se doutait de rien parce que Magadna, Alassane Ouattara fexe na ba lëkkaloog de boigny te danaka xamu ko woon sax waaye dañ ko nommé comme l'adjoint du gouverneur, vous Abdoulaye Fadiga, qui était malade à l'époque, il a pas eu li nga ne def parce que dafa comprendre comme on dit qui veut aller loin ménage sa monture c'est ce la def fait. Vous voyez, quand après 82, c'est-à-dire trois ans après, plus tard, Alassane Ouattara fit la rencontre de Dominique Nouvian, bi nga notamment les propriétés euh, euh, immobilières du président Félix Houphouët-Boigny et de son homologue gabonais Mouy Omar Bongo Alassane Ouattara de Fatak Dominique Nouvian le 24 août 1991 te aussi histoire bizarrement l'histoire se rappelle. le 18 février 1992 lors des manifestations étudiantes le premier ministre Alassane Ouattara de Laurent Pagbo d'être l'instigateur des troubles nga Alassane Ouattara arrêté avec sa femme Simone Pagbo. te qui jamono euh, euh, été le gendarme patriote le couple serait mort depuis ce jour-là waaye nag Alassane Ouattara pareegul C'est ce qu'on a ko ci 2010 Il ndax dafa tollanti waaw waaye li nga xam ne moo nekk ci Alassane Ouattara la constitution de 2016 dafa interdire de facto un troisième mandat à Ouattara La constitution peut-elle se dédire au point de valider sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 la question se pose Vous voyez, ci seet mi ngi ci ki nga xam qui moo la nommé fi mu ce li mu joxoñ ngay def loolu la maa ngi dégg ñu est-ce que la est-ce que les est-ce que la constitution daañu abroger daañu valider la candidature la Ouattara mais bien sûr parce que l'on sax de, du ay wax parce que normalement bala ngaa nekk candidat Conscient de l'accord autorisé, mais Alassane Ouattara a pris les devants parce que xam na ne dara na ci c'est ça la réalité On n'écoute nekkul Ben scoop Maintenant, l'immoralité veut que les compteurs soient remis à zéro ci gis-gisu Alassane Ouattara et sous le fallacieux prétexte d'une instabilité ou de déstabilisation en Côte d'Ivoire on dort debout te bu fekkee loolu là. auquel cas la prétendue constitution ivoirienne n'existe pas ou qu'elle appartient absolument au boucanier Alassane Ouattara nga savez, Alassane Ouattara le vatanguer, le démon capricieux l'intrigant aventurier putschiste déclaré non éclairé par ses rapines politiques et sous et ses coups tordus comme sa bouche et pris plus d'une fois en flagrant délit de plus en plus piétine et outrage publiquement la constitution ivoirienne avec un kilo démesuré nga ramener les clous de la constitution de 2016 vous ramener élaboré et c'est par la mécanique des légèretés sismiques cousues de fil blanc dont il a l'unique secret le visage hideux d'un menteur professionnel de son rang non repenti au long temps impose sa loi arbitraire tyrannique à son pays d'adoption qui se plie sans broncher à sa règle totalitaire. Alassane Ouattara a-t-il donc la mémoire courte qui dénonçait Orbi Urbi la candidature illégale présumée de son bienfaiteur qui 2010 alors que Momlaïdef, ñi nga xam ne soutenir wax du bari de démb seen wax bari l'objectif majeur paraît-il est d'absoudre ces crimes tout genre et ceux de son clan en particulier vous sauver à tout prix par la petite porte le soldat fugitif Blaise Compaoré le premier suspect numéro un de l'assassinat de Thomas Sankara et le journaliste burkinabé Norbert Zongo le journaliste professionnel son propre frère François Compaoré ...et co-auteur certainement de cet assassinat ouais, les parents de l'escroc autoproclamé la communauté internationale qui était très bavard Wow, nga forcé forcé Ahmed Bagayoko... président nga xam ne moo doon la commission nationale ci seeni élection nga xam ne Bakayoko dafa nekkoon en même temps membre euh, euh, du parti bu Alassane Ouattara RHDP moom dañ ko yónni jatan ko mu déclaré avant l'heure ne Ouattara moo gagné ndax moo nekk le vainqueur te loolu daf ko déclarer dans le QG de la république du golfe qui jamono jooju te loolu doy qui kiimaan parce que kon on a un ci intérêt économique financier mal placé nak lolou jaxalun ci watara ndax celui qui n'a jamais rien obtenu de lui-même n'est qu'une marionnette et une décharge toxique en Afrique de l'Ouest au sud du Sahara ndax tout ce qu'il a obtenu vient directement de ses amis De ça moins tout ça, comme jabaram bi mu suis les biens immobiliers bu Oufir Boigny Je mel ni que <laughs> moo ko ndax Je mën ndax mbir mi kat même chose aussi pour son co vassal nègre de service ou l'autre décharge toxique à ciel ouvert autocrate au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en l'occurrence Macky Sall, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas Question boobu la posée. derrière Alassane Ouattara l'insaisissable girouette putschiste indécrottable marionnette qui est nécessairement sous les plis de la France-Afrique dans les valises colonialistes ou l'inimitable mercenaire opportuniste arriviste du haut de son rang par ses coups, par d'État permanents, Macky aussi himself, en chair et en os, mon ex, son jumeau, ndax mon son cousin de sang ethnique dénommé Mohamed l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar Moui Macky le bougre de naissance incorrigible dit l'entonnoir colonial ou le caniche de l'Occident, de la tête aux pieds, n'est jamais loin. Et pour cause. nga Maki di tant sa ressemblance avec l'ivoirien de la dernière heure par ses méthodes maintenant par ses manières euh, anormales aléatoires disent en l'eau, sa gestion calamiteuse, notamment sur les affaires de la cité, se passe de commentaires. te loolu gis nañ ko ci discours Macky Sall il y a ñaar rek parce que si fi bëggee wax lépp duñ ci faut Macky dafa accordé une interview à Jeune Afrique waaw Jeune Afrique di interroger et à quel prix d'ailleurs Macky doon il vaut mieux ne rien publier et cacher son patrimoine nga xam 2019 bi Pandou Wuré troisième mandat c'est fini pour lui waaye lu ci doy la même girouette semble-t-il fait volte-face Entretien, le doute le faux suspense ni oui ni non L'un à l'instar de son compère pédigré oui, Alassane Ouattara qui s'est dédié Alassane Ouattara se représentera pour un troisième mandat de trop pour la présidentielle du 31 octobre 2020 de Lolo quelle image le minable escroc nous renvoie-t-il et pourtant contre toute morale le bouffon béni s'autoflagelle et s'autodéclare hystériquement lui-même le cheval de Troie de la démocratie trompe l'œil, mon œil, et la traque des biens mal acquis à double standard et à géométrie variable. En définitive, en vérité, il y a lieu de parler d'un bazar à pair RHDP, Manam, deux décharges toxiques à ciel ouvert au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ni plus ni moins, l'olmofinek, l'ennemi quand vous je rendez-vous mardi prochain ci sunu waxtaan wi ñu ñu à travers les ondes de notre radio FM la première radio panafricaine nekk ci Californie Los Angeles muy sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale merci